Le Niger, à l'instar du monde entier, a célébré la journée internationale de la paix. Le thème de cette édition est Une paix durable pour un avenir durable. Le président de la haute autorité de la consolidation à la paix, le colonel-major Mahamadou Abdou. La paix est une condition sine qua non d'un développement durable, comme nous l'avons si bien articulé dans notre stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes. Le développement économique et la croissance durable sont des piliers pour une paix sociale. Le développement durable contribue de manière décisive à écarter et à éliminer les causes de conflits et sert de fondement à la paix durable. Par ailleurs, la paix permet d'affermir les conditions nécessaires au développement durable et de libérer les ressources indispensables à l'épanouissement et à la prospérité de la société. Les manifestations de la cure salée ont débuté le 22 septembre dernier à Ingal, dans la région d'Agadez. Cette fête annuelle regroupe de nombreux éleveurs du Niger et ceux des pays voisins. Ibrahim François, membre du comité d'organisation, nous retrace l'historique de cette fête. La fête de Kirsare est traditionnellement Ingel, parce qu'aucun animal ne peut aller hors d'Ingel. Ça, c'est catégorique. Même si on le transfère ailleurs, personne n'ira. Parce que les animaux ne vont pas partir. Même s'ils partent, qu'est-ce qu'ils vont brouter là Parce que les animaux, quand la pluie commence, ils ne s'arrêtent pas. Ils viennent directement. La seule chose, c'est que dans le temps, quand les animaux viennent, ils ont un temps. Parce que s'ils restent plus longtemps, ils vont brouter tout l'herbe d'Ingel, ils vont laisser Ingel sans herbe. Dans le temps de colonne, on donne 15 à 30 jours pour qu'ils rentrent et ressortent. Et il y a du couloir qui est respecté. Mais maintenant, il n'y en a plus ça. La prolifération des ranchs privées au Niger devient un véritable problème pour les pasteurs nomades qui estiment qu'on est en train de leur confisquer un droit fondamental, celui d'avoir accès au pâturage. Au moment où se tient leur manifestation annuelle de la cure salée à Ingel, ils souhaitent que des mesures concrètes soient prises pour enrayer ce phénomène. Mohamed Al-Mansour, secrétaire général du CAPEN, collectif des associations pastorales du Niger, au micro de Mariama Diallo Kenda. Dans ce pays, surtout en zone pastorale, nous avons remarqué la prolifération des ranchs privés. Et cette question de ranching, si on y prend garde, ça va mettre en mal la mobilité pastorale. Comme vous le savez, le sont de, 029 par de la mobilité comme un droit fondamental pour les éleveurs pasteurs. Et cette question des ranching aujourd'hui cause beaucoup d'inquiétudes. Le système éducatif nigérien était au centre d'un débat organisé au CCOG, Centre culturel Oumaruganda de Niamey, par le groupe Radio-Télévision Amfani à l'occasion du 20e anniversaire de son partenariat avec la Dutch Valley News. Un débat qui s'est déroulé en langue nationale Hausa sur l'enjeu de l'éducation au Niger une rencontre à laquelle ont participé le ministre des Enseignements supérieurs Mohamed Ben Omar et celui de l'enseignement primaire Daouda Malam Marté ainsi que plusieurs acteurs de l'éducation. Le directeur général du groupe Amfani, Boukar Gréman, explique. Nous avons fait ce débat pour commémorer les 20 ans de partenariat entre la Deutsche Welle et le groupe de presse Amfani. Nous avons bénéficié beaucoup de la Deutsche Welle sur le plan de formation. Vous avez vu le ministre de la communication tout de suite, il dit, lui, il est l'exemple type même de coopération, puisqu'il a fait 12 ans à Deutsche Welle grâce à Avani. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette euh, retro de l'actualité de la semaine euh, écoulée. Rendez-vous à la fin de la semaine prochaine. Au revoir.